transport président Macky Sall def ne nañ leen accompagner accompagner leen ci lan nañ leen jàppale seen auto yi nga xamné yu màggat lañu ñu renouveler ko nañ leen jàppale ci formation nañ leen jàppale ci defar tali lolu loolu secteur transport la parce que xamna né secteur bu am solo la sur le plan économique mais aussi sur le plan social parce que nak kenn ku ne ci yéen xam na ñi nekk ci secteur transport so leen génné té ci réew mi réew mi dina des tout moo tax ala kulliyaal ñu jàppale leen waaye ñoom it nañu xam ne lii ñu bëgg a def état bëgg ko def ngir l'intérêt ñëpp la ngir intérêt askanu yëpp la. wàllug loolu wax dëgg fi yàlla dina ma xaw a diis ma wax ci parce que président Macky Sall bokk na ci lim ñuy wax ndimbal bi ma bëgg ngeen di def ci population bi mooy yegg si ci leen massawu leen xam leen ni dañu am dignité et def dara nag ba pare génne ko. du respecter la dignité humaine et c'est le plus important. Je voudrais réitérer encore une fois de plus. Notre mission d'aujourd'hui a été dictée par le président de la République qui nous a instruit de venir et de se substituer à sa modeste personne. Est-il en concertation avec l'ensemble des acteurs concernés? Donc les gens comprennent que le pays est le nôtre. Et chacun d'entre nous doit quand même, dans la mesure du possible, jouer sa partition pour le bonheur. De... Par rapport au montant, je ne saurais les évoquer parce que ça a été l'instruction du président de la République. Quand il s'agit d'accompagner les populations sur le plan moral, sur le plan psychologique, on peut mettre ça devant les écrans, devant la télé, devant les médias. Par contre, les appuis pécuniers, pour lui, parfois, c'est des appuis très négligeable qu'on saurait évoquer à travers les médias. Le plus important et le plus fondamental pour lui et pour les populations éplorées, c'est surtout que l'État soit à leur chevet, que l'État soit à leur côté.